cheminots yi ñoo bind taarixu Thiès chemin d'affaires, fer moo def Thiès une grande ville africaine ba tax ethnie yu bari doon daje fii ci Thiès à travers le chemin d'affaires. fer ñu bari jógee Mali Niger ndax lan ndax chemin d'affaires. Thiès am nu mu toll woon ci Sénégal au plan économie économique ndax chemin d'affaires képp ku xam Thiès rek buñ ne express mi ngi doon ñëw xam nga li mu doon indi ci dëkk bi ci koom-koom ci su ñu demee àdduna di dox ba chemin de fer fay ba train yi fay ba déggatuñu riirum saxaar gi kon Thiès dafa mel ni dafa nekk ci dëkk bi ma nekkee maire de la ville de Thiès ñaar ba ñett yoon laa mos a jàkkaarloo ak le monsieur le président de la république du Sénégal Macky Sall mësuma koo mësuma koo diis benn soxla mësuma koo ñaan dara li ma ko daan wax monsieur le président

mais aussi nous remercier le directeur général encourager nous ñu xam ni Thiès ci boppam bëgg de bu pour nous baax ci projet bi ndax chemin de fer mënta ñak ci am réew chemin de fer nous moderniser ab chemin de fer nous préparer industrialisation chemin d'affaires est un instrument politique et un instrument diplomatique parce que stratégie yi ngay les programmes sociaux et économiques au niveau macro montagnac chemin d'affaires, Comme kon chemin de fer avons fait fi ci Sénégal train bi di nañu am Sénégal je vous remercie vous me permettrez de demander un tonnerre d'applaudissements à ces voyants cheminots de GFS, de GTS, qui ont travaillé nuit et jour pour une reprise effective des transports de voyageurs par la voie ferrée. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous demander solennellement deux secondes de tonnerre d'applaudissements à l'endroit de ces gens. Merci encore. À la demande de l'État du Sénégal, soucieux de la protection des couches sociales démunies, GTS a fixé ses prix à 1500 francs CFA pour une première classe climatisée et à 1000 francs CFA pour une deuxième classe ventilée. Tout à l'heure, vous verrez le train qui est dehors et qui vous attend pour les voyages les plus agréables au monde. Les trains que, vous, les trains que vont faire la rotation Thiès-Diamniadio, Diamniadio-Thiès sont de type réversible. Monsieur le directeur général de Saint-Pierre, Monsieur Salle, ne m'en voudra certainement pas si je fais une petite comparaison pour permettre aux Tiessois de mieux comprendre le type d'équipement qui est mis à leur disposition. Je suis certain que M. Abdou ne m'en voudra pas. En effet, les, réversibles, les rames réversibles de GTS sur cet axe sont dotées de deux têtes comme les rames du TR. Elles sont équipées de moteurs diesel pendant que leurs jumelles du TR sont dotées de moteurs électriques. Elles ont 7 ans, ans de plus que le elles ont 7 ans de plus que celle du TR qui, a, son, qui, a, ans, qui a 2 ans d'âge. C'est vous dire que les trains de GTS ont 9 ans d'âge aujourd'hui. Quand on sait que l'amortissement des équipements ferroviaires est de 20 ans, on se rend compte que les rames Z2 de GTS sont encore jeunes, vigoureuses et en bonne santé. Elles vous transporteront en toute sécurité aussi. Deux rames rouleront en continu sur cet axe pour permettre une circulation ininterrompue du service rendu aux populations du département de Thiès. Nous y avons même ajouté une troisième rame en réserve, utilisable en cas de besoin. Chaque rame est composée de deux voitures climatisées et de deux voitures, de seconde, de deux voitures ventilées pour un total de 500 places assises réparties comme suit. Vous avez 152 en première classe, euh, en première classe euh, climatisée et 348 en deuxième classe ventilée. Désormais, il faudra juste moins de deux heures pour partir du cœur de ville de Thiès et arriver au centre-ville de Dakar avec une rotation de 10 trains par jour à raison de 5 allées, 5 retours. C'est dire que, c'est dire que directeur de Dakar et Thiès, nous Chers invités, vous constaterez avec moi qu'avec cette nouvelle desserte, les problématiques de la mobilité, si chères au président Macky Sall, sont prises en charge par notre ministre, le docteur Amadou Ndiaye. Les questions d'équité territoriale et d'un Sénégal de tous, de tous et pour tous sont aussi des visions de son excellence qui se matérialisent aujourd'hui encore. Monsieur le ministre, chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans parler du prolongement du train jusqu'à la ville sainte de Chihuahua. Tout comme les populations de Thiès, celles du département de Chihuahua attendent certainement cela avec beaucoup d'impatience et d'enthousiasme. Dès que nos partenaires de CFS, comme le disait tout à l'heure le secrétaire général de le syndicat, dès que nos partenaires de CFS auront terminé les derniers réglages sur les rails, GTS poussera la, GTS poussera jusqu'à la capitale de, la Tidjania. En résumé, nous, cheminots, gestionnaires du transport de voyageurs et de fret, irons partout où les gares, les rails, la signalisation seront réalisées. Vive Thiès, vive les cheminots, vive un Sénégal de paix, de prospérité et de concorde. sant sama sëriñ sama weeruwaay sëñ Muniiru Njëgeen walla jox ma Njëgeen di sant sama sëriñ sëñ weeruwaay sëñ Thierno mu xëy sëñ Mouhamadou Mountakha Bachir xalifa général des Mourides monsieur le ministre en charge du réseau ferroviaire monsieur le gouverneur de la région de Thiès Monsieur le directeur général des grands trains du Sénégal, Monsieur le directeur des chemins de fer du Sénégal, Malik Boy Samarak. Monsieur le directeur général de on va honorables invités en vos rangs et qualités. Donc, je parole, monsieur le directeur, monsieur le gouverneur, parce que le directeur général, il va faire, waaye dañoo xalaat cérémonie boo xam ni Thiès benn jigéen waxul kooku kon jigéen ñii amee musóor yi mooy jaaykatu taabal yële taabal yële yële waa chemin de fer yu jigéen ñii kenn benn jigéen waxul Thiès kon tey cérémonie bi dina xaw a doy waar maa ngi lay sant di la gërëm Thiès président Macky Sall ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax daf ñoo liggéeyoon benn dëkk ñetti gaar teer bi egsi na ñaareelu gaar bi mu ne woon ñaari gaar tey ñaari gaar bi egsi na ça a été une réalité Malick Ndoye ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm tax nga ñun GTS monsieur Omar monsieur Omar Sow tey mën a dawal saxaar si ñu jëlee ko Thiès yóbbu Dakar Thiès nag président de la République daf ko digoon ne kelug yokkute la te ñun tamit xam nañu kelug yokkute la ndax chemin de fer bi mu tëjee ba léegi Thiès xale yi ku ci dawalul Jakarta yaa ngi jaay café Touba lépp nee na teg chemin de fer moo nekkoon nëpp moo nekkoon nuyu de la ville de Thiès ku liggéey ba retraité jël sa doom yóbbu wala nga jël sa euh, jarbaat yóbbu ñu téyewaat kër gi chemin de fer dekkiwaat na yéen liggéey ni Thiès yéen laay waxal. président nag ne Thiès kërug yokkute laa koy def aéroport baa nga jas chemin de fer egsiwaat na biir Thiès.

mu wëlbatiku jaar Madina Fall sëriñ Assane Naaru Kaw Sara Fall sëriñ am ni xadi ne de su ma egsee kër Mame Alaaji sëriñ mu niru danaan ne waaw ne jërëjëf son excellence le président de la république jërëjëf Mansour Faye Alors, moom ralangaay allahumma salli ala sayyidina Muhammad rasulullah population de Thiès chers cheminots c'est un réel plaisir pour moi de participer à cette cérémonie d'inauguration de la gare emblématique de Thiès réhabilité, ainsi que la réouverture de la ligne entre Thiès et Diamniadio. Cette cérémonie est d'autant plus symbolique qu'elle constitue l'un des premiers jalons franchis dans le cadre de ce projet national du président de la République Macky en vue d'un redéploiement ferroviaire à l'intérieur du Sénégal. Après le projet du TR, bien évidemment, qui concernait principalement l'agglomération dakaroise. Mesdames, Messieurs, les cheminots des chemins de fer du Sénégal, accompagnés de leurs collègues des grands trains du Sénégal, viennent de relever un défi majeur dans les politiques engagées par le président de la République. C'est le moment de leur Ils ont été les premiers acteurs de cette relance. Je félicite aussi l'entreprise EPAGE qui nous a accompagnés tout le long des travaux. Je leur remercie pour leur professionnalisme et leur engagement à côté des maîtrises d'œuvre taille Ingénierie etc. Bravo. Mesdames, Messieurs, alors que les dépenses ne cessent de progresser pour répondre à l'essor des mobilités, mais aussi pour servir des politiques économiques d'encouragement à l'emploi, la plupart de nos États en Afrique et même au niveau mondial sont confrontés en cette période de fortes contraintes budgétaires à des difficultés majeures pour trouver les ressources financières nécessaires à la réhabilitation des lits, la construction de nouvelles infrastructures et à l'entretien régulier des réseaux ferroviaires. Et pour nos amis de GTS, à l'acquisition aussi de matériel roulant répondant aux normes et au confort initié. Mais il y a une constante à ne jamais perdre de vue. Sans le chemin de fer, le monde n'aurait pas atteint son niveau actuel de croissance économique. Le chemin de fer est un outil d'équité territoriale qui facilite la croissance économique inclusive. Et aucun pays ne peut connaître un développement harmonieux sans un réseau ferroviaire performant la relocalisation en cours des industries des pays développés vers ceux émergents, où le coût de la main-d'œuvre est plus bas, profite aux pays avec un chemin de fer qui, accorde raccorde les aux grandes activités industrielles ou logistiques spécialement aménagées. Un chemin de fer performant engendre toujours des bénéfices économiques multiples, avec un impact positif sur le niveau des activités portuaires,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 le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement pour son soutien constant tout le long du projet. Remercier aussi le ministre délégué chargé du développement du chemin de fer pour son accompagnement. Tout lors de la finalisation de ce projet, il a été là et nous a appuyés dans les différents arbitrages. Je vous remercie, monsieur le ministre. J'ai pu mesurer à travers ce projet l'efficacité de notre administration territoriale, ainsi que son sens aigu du devoir et de l'intérêt national. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, je vous remercie. Transmettez mes remerciements à vos collègues de Djoubel, de Catherine, de Dakar, de Tambacounda, ainsi qu'à leurs équipes respectives pour leurs appuis et leurs accompagnements. Merci, monsieur le gouverneur. C'est avec cette note de remerciement que je vous accueille dans cette nouvelle gare de Thiès, réhabilitée à Thiès, capitale emblématique du rail en Afrique de l'Ouest. Que cette gare puisse survivre mille ans. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire de la ville de Thiès, mon ami, comme je le disais tout à l'heure, Monsieur Babacar Diop, nous sommes des adversaires en politique, mais nous sommes des frères dans la ville de Thiès. C'est ça l'exception thiessoise. Monsieur le directeur général la Société nationale des chemins de fer, M. Malim je dirais en plus mon fils, Monsieur le directeur général de la Société des grands trains du Sénégal, Monsieur Omar Sow, ma soeur, ma soeur présidente du conseil d'administration des grands trains du Sénégal, Madame Seydou Degen Baké, nous avons apprécié votre discours lyrique qui montre une fois, encore une fois, votre passion pour la ville de Thiès. Monsieur le directeur général de la sainte Monsieur le ministre Abdoundene salle mon ami et mon frère. Mesdames, Monsieur le directeur général de la CETER, Mesdames et Messieurs, les représentants des collectivités territoriales, chers invités à vos titres, rangs et qualités, c'est un honneur et un réel plaisir pour moi de présider solennellement cette cérémonie d'inauguration de la gare réhabilitée de la ville de Thiès. Ville mythique et carrefour culturel qui a marqué l'histoire et le développement des chemins de fer au Sénégal et en Afrique. Thiès, cette heureuse terre de charité, d'hospitalité et de brassage culturel dont le chemin de fer a été le trait d'union de plusieurs peuples de l'Afrique de l'Ouest. J'ai l'habitude de dire Thiès est la deuxième plus grande ville du Mali. Thiès, la résistante, ville de Feu Ibrahim Assar, mais également d'autres cheminots qui ont contribué à l'émancipation, mais également à l'indépendance de plusieurs peuples africains car avec le train, ce ne sont pas seulement des passagers et des marchandises qui étaient transportés, mais aussi des idéaux, des pensées des biens, des êtres, bref, des transformations socio-économiques et des locales, dans, dans toutes les localités traversées. Mesdames et messieurs, en faisant ce rappel du rôle des chemins de fer, comme vecteur de développement. C'est le lieu de saluer toute l'ambition que le président Macky Sall accorde au renouveau des chemins de fer. Ce renouveau des chemins de fer a été et demeure son combat, notre combat, cher cheminot, bref, notre ambition à tous, et les Tessois en particulier. En effet, depuis son arrivée au pouvoir en 2012, il n'est le jour où il a mesuré l'intérêt vital de ce moyen de transport, combien névralgique pour la vie du pays dans tous ses effets d'entraînement avec les branches d'activité économique et sociale. Sous l'infection, l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Macky notre cher pays récolte ainsi les paris de fruits certes audacieux, mais aussi de mettre à la disposition des populations le train express régional, une infrastructure de transport de masse moderne, rapide, sécurisée et structurante. Elle signe l'entrée de notre pays dans une nouvelle ère qui replace la problématique de la relance du secteur ferroviaire au cœur des politiques publiques. Mesdames et messieurs, ce jour 27 avril 2024 est un grand jour, car il marque la connexion ferroviaire permanente entre le département de Thiès, Dakar, la capitale, via la gare emblématique de Djamnyadou. Quel bonheur pour le Thiès que nous sommes de revenir le hub ferroviaire que nous avons toujours été. C'est donc le moment c'est donc le moment de saluer cette belle réussite de réhabilitation de la gare de Thiès et de relance de la reprise du trafic qui reste, ouvre de belles perspectives pour le futur. Puissions-nous les saisir ensemble et je n'en doute pas. Au-delà du hub visant à connecter, visant à connecter Dakar au reste du Sénégal via Thiès, vous constaterez avec moi que la vision du président Macky Sall est aussi de faire redevenir à Thiès la ville de l'industrie ferroviaire et le centre de formation au métier du transport ferroviaire. Cette belle gare est le symbole de la renaissance des chemins de fer du Sénégal. Les enjeux pour la reprise du trafic, la problématique de la mobilité des personnes et des biens, aussi bien en zone urbaine, périurbaine qu'interurbaine, demeure une priorité majeure pour le gouvernement. C'est pourquoi, conformément au plan Sénégal émergent, l'État multiplie depuis 2012 les efforts pour la renaissance des chemins de fer, incontestablement indispensable pour résoudre en partie ces problématiques et asseoir ainsi un développement socio-économique durable pour le pays. Mesdames et messieurs, je m'honore d'être le ministre chargé du développement du chemin de fer. Sous l'autorité de monsieur le ministre des infrastructures, mon ami et mon frère, monsieur Mansour Sous le magistère duquel la mise en service du terre a pu être opérée avec le succès et l'enthousiasme que nous constatons, mais également la relance du trafic des voyageurs aujourd'hui le transport de fête par train et dans les jours à venir. Je voudrais remercier tous mes cheminots pour cette très belle mobilisation, saluer l'engagement constant à mes côtés de mes jeunes frères et de mon fils, le directeur général des grands trains du Sénégal, mon fils le directeur général de CFS, M. Doy, le directeur, mon ami et mon collègue, monsieur le ministre, directeur de la, du saint monsieur Abdoudel Sall, pour la relance et la modernisation des chemins de fer. Recevez en cette occasion, Monsieur le directeur général de CFS, GTS et mes félicitations et mes encouragements pour le travail accompli. En termes de suivi de contrôle l'exploitation commerciale, et d'une gestion optimale des patrimoines qui vous sont dévolus. C'est le lieu de féliciter le DG de CFS, M. Malik Doy, et toutes ses équipes pour les efforts sans relâche qu'ils consentent pour la réhabilitation du chemin de fer. C'est également un agréable devoir pour moi de féliciter et d'encourager le ministre Abdou Sall, directeur général de la sainte et ses collaborateurs pour les résultats obtenus par le terre, avec plus de 15 millions, de 45 millions de voyageurs transportés après deux ans d'exploitation. Avec les grands trains du Sénégal, sous la houlette de son DG, M. Omar Amadou Sow, que je félicite, mais également de son PCA, ma soeur Sénégal et Le GDS déploie beaucoup d'efforts pour la reprise des activités dans le transport interurbain. Le transport ferroviaire sur l'axe Damnadio, Thiès Damnadio se fera au moins, au de deux rames comme l'a signé dit le directeur général du secteur. De GTS. Chère population de Thiès, chers futurs usagers, nous vous invitons à vous rapprocher de cet outil, propriétaire de tous les Sénégalais et de ce surcroît symbole de la renaissance de Thiès, et de transport ferroviaire. Mesdames et Messieurs, c'est avec cette note d'espoir que je procède à l'inauguration de la réhabilitation de la gare de Thiès, ainsi qu'au lancement de la reprise de la circulation des trains voyageurs de GTS. di nous waate sama alors je ne une du gis xes de le PSA du FONGIP mon frère Papis professeur Ndoye di wax ne lii ñu fi am tey moom mooy dekkalaat chemin de fer bi ci diggante Dakar ak Diamniadio bés bu mag la pour Thiessois yi taarix la ndax chemin de fer ñëpp xam nañ ko saa yi ñu tuddee Thiès war nañu mëna a chemin de fer tak kon tay suñu ñëwé wara a chemin de fer ci kaw ndigalu président de la république Macky Sall ñun mbégte lé ci mëna am. di xam ne nag lii ñuy def ceesuwaay yi lañ ko defal ndax chemin de fer saa yu déggee ceesuwaay yi la chemin de fer rek moo gën a gaaw chemin de fer moo gën a wóor chemin de moo gën a yomb kon nit ci ñëpp jàpp pour que lim ci bëgg mu mën a nekk. waaye nag mënuñoo liggéey mbir mi te duñu sant ñi nga am ne.

bu jógee Dakar yenu ay marchandises ak conteneur dem ba Tambacounda yàlla nag dafa def mu tombé tombé nag mu indi ay gaaf ba ñu nekkee Tamba monsieur le gouverneur Baldé moo ñu fa jàppale ba liggéey bañ fa soxla woon am yëpp mu yomb tey mu ñëwaat Thiès mu ñëw fekkaat ñu Thiès. yombalaat na bés bi ba bés bi nekk na bés bu taaroo bi kon monsieur le gouverneur waa Thiès sama tur ñu ngi lay sant di la gërëm doomu Kolda ak waaye à partir maintenant monsieur le mi ngi nii toog nous te faisons citoyen d'honneur de la ville bokk ndey bokk baay liggéey mbir mii ndax Sénégal mun te dem sans chemin de fer bu wér bu wér te wóor projet yi a mag tey Sénégal moom mooy le port de Ndayane mën ta dem te su dafa wéeru ci kaw chemin de fer am na tey li ñuy wax fer bu mu am Falémé mënuñ koo yor ci yor bu amin bu rafet te amul chemin de fer bi nga xam ne phosphate bi ne Falémé bi nekk Matam mënut a dekk dox te àndul ak chemin de fer kon développement du Sénégal développement bi nga xamante ne moom la ñu yaakaar ci chemin de fer lañ ko yaakaar yàlla ñu ko yàlla defal di leen sant di leen gërëm wasalaam.